20h21h, c'est le Talrec Show. Avec Talrec sur Vibe Radio. 20h 21h, c'est le Talrec Show. Avec Talrec sur Vibe Radio. Ok. Ok. Dingue comme jamais. Moi, c'est dingue comme jamais. Dingue comme jamais. faana bëgguma dara si dara si tale ñu bëri di kaji ni talent bi li ma si woné du darasi wanga wa nga sa musiba tàggu sa mbokk na xamal ne gerte la gën si affaire de bandi la njëkk la pare nag rëy la mi taxu nga génn ci moi je suis le dernier venu le pire cauchemar des jaloux tu me vois pas dans le menu c'est sûr y a quelque chose de chelou j'arrive fais gaffe à tes sucres marre de parler moi je suis sûr combien de fois j'ai de prouver que je suis le meilleur mais déjà ah, je veux voir les mains je veux voir les mains je veux voir les mains ah je veux voir les mains di yoon soo dëgërul puusal gi sama yoon loo yëkkati dënn di soog ba soxla su jëngeen moo comme benn si jabbi ni pédicure maa ni ki bi ni commence ci bi bambu ci kanam bokk bale fi xel yi da bokk ñu làkk benn rot a xel yi da nga bañ a taxal yi da booy ñu zéro ba éro ñu ne nga melo na benn sa lamin bi dama nga tëtë tëtë tëtë sa fit bi

galaxy Telling you buddy, you got you in the I really must you darasi to that I see Walk on some music, but talk on some rock on a hammer and again and again I la part et la gueule, mais t'as remarqué le shit Moi je le dernier venu, le pire cauchemar des jaloux Tu me pas dans le bonus, c'est sûr, y'a quelque chose de chelou J'arrive, fais gaffe à tes testicules Marre de parler, moi je suis ce que Combien de fois je te prouvé que je suis le meilleur, mais t'es ce que Jobby Jack in de pedicure, maar nigga, dan gaan ze het binnen, kom als je de volgende weer bomben, je kan. Wakker mijn ballen, wie gelie de bokken, je lakken, ben die rotte gelie de. Zero beëren, je bak in de ghetto, gaat op mijn ghetto. Farmen, wat je ghetto, je blokken, je melden, maar ik ben dan Ok, ok, c'est toujours à boutal Abonnez-vous à la chaîne de Vibes TV et cliquez sur le pouce bleu. On est ensemble comme jamais. à boutal ça arrive très vite. Printemps 2019.